général du Centre de hautes études de défense et de sécurité. Alors, euh, je voudrais d'abord euh, témoigner à ces auditeurs du euh, toute ma reconnaissance, les féliciter pour cette initiative. Ils ont eu à subir une formation au niveau du centre pour vraiment avoir toutes les capacités qu'il faut dans le domaine de la défense, dans le domaine de la sécurité, et euh, après avoir fini cette formation et obtenu leur diplôme, ils ont essayé aujourd'hui, à travers cette rencontre, de montrer en fait euh, qu'ils sont bien euh, lancés dans cette affaire d'insécurité qui se pose et qu'ils sont prêts aujourd'hui à participer au niveau de leur pays à renforcer les situations sécuritaires du pays. Et pour cela, je suis vraiment très heureux d'avoir été convié à ce dîner où nous avons eu le chef d'armée de l'armée de terre, le chef d'armée de l'air et le président du conseil d'administration du CHET pour leur montrer que nous sommes toujours avec eux. Je suis le colonel Mamadou Sam, colonel à la retraite, directeur des formations du CHET. Ah, nous avons été conviés à ce dîner par euh, la deuxième promotion du programme de formation en sécurité nationale du CHET. Cette promotion euh, porte merveilleusement le message du CHET après une formation de cinq mois en sécurité nationale. Elle a décidé de s'associer à tout ce que le CHET mène comme activité pour la promotion de la sécurité et de la paix. Naturellement, nous y avons déféré et nous sortons de ce dîner très satisfaits. D'abord, de la prestation de l'intervenant principal qui a traité d'un problème de sécurité nationale. Euh, le débat qui a suivi a été également un débat extrêmement fructueux et intéressant. Et nous pensons que cette promotion euh, pourrait faire beaucoup de choses pour la promotion de la paix au Sénégal et dans la sous-région. En tout cas, le CHET euh, s'associe à toutes les idées qui sont développées au sein de cette promotion et entend bien accompagner la promotion dans ce projet de, de, partage euh, des idées sur la paix et la sécurité au Sénégal et dans la sous-région. Merci. Euh, Madame Barry. Ndeye Elisabeth Lendor Diop euh, maay euh, présidente la deuxième promotion la euh, sécurité nationale ou CHET, depuis que mu ko initié la première promotion de en 2018 en 2019 la woon ren a une troisième promotion en 2020 tey jii dañu dajaloo parce que comme nous l'avons dit, les gens ay boromu xam-xam du cadre privé ay au cadre du privé et des hauts fonctionnaires de l'État et ay militaires euh, des des hauts des des officiers euh, ñoo dajaloo comme ñoo de promotion 2019 vraiment échange yi échangé ay échange yu bar yu kawe yu fructu yu fructu vraiment yu amana comme nous avons koy donc nous euh, daf ñu permettre passer passer sur formation ba mu dire

am nañ ci gis-gis militaire tamit am nañ ci benen gis-gis légui nak euh échange yi dafa ñu doon permettre ñuy toog di waxtaan di am ñuy ségg ba am ñuy ñu segg jëlee ko ci pour am vraiment ñun luñu xalaat pour jappalé suñu réew ci cadre boobu ndax ñëpp xam nañ ne que né ni Mali jaxasoo na Niger jaxasoo euh une partie du désert ou bon comme ni koy waxé G5 Sahel ñu ngi Burkina. ñu ngi ñu ngi ñu ngi mu tudd ñu ngi euh, ba ci Tchad ah extrémisme religieux boobu ak euh, groupe yooyu di di lëkkaloo pour que ñoom ñu mun a ñëw ci suñu réew yi déstabiliser ko loolu nag tax na ñun tamit ñu am ci ay xalaat d'ailleurs tey débat bi ñu amoon la politologue bi nga xam ne ñëpp xam nañ ko muy docteur Yoro Dia ko doon animé muy le Sénégal ak dëkkandoowam yi ci nu ñu dëkkee ñoom ci ak jafe-jafe yu yenn ñi ñenn ñi nekkee ak nu mu dëkkee ak ñi nga xam ne tamit vraiment mu ngi dëkk ak ñoom pour jàppale leen ñu ñu jëm kanam loolu mun nañ ci wax kaawu Gàmbi bi euh, Yaaya Jàmme nekkee foofu yàqoon dëkk bi lu ñu demee ba démocratie amatul nga bugg fa def boppam buur gis nañ Sénégal réaction bi mu am ba jàppale réewu Gambie ba nga xam ne tey jii euh, démocratie mu ngi fay am euh, barki démb boo Ndiaye bu tey jii gis nañ nag ni ñuy waxee ni président wu Guinée Bissau kiñ ko nommé bu bees Umaro Sissoco Embaló mu ngi fi pour delloo njukkal président de la république ci jàppale bi mu ko jàppale ñi dëkkam tamit bëgg euh, li am Sénégal jàmm bi démocratie bi. économie bu baax ndax xam nga dëkk yu am xeex yi mënuñu wax économie ci ñoom te Afrique euh, loolu daf ñu sonal donc yooyu yëpp moo doon sujet wu euh, débat wu tey bi te ak euh, actuellement suñ jógee ci lii tey dañu bëgg lëkkaloo en réseau première promotion bi ak ñun deuxième promotion ak promotion yi nga xam ne ñu ngi ñëw dañuy constitué vraiment di waxtaan di sottante xalaat di tek tamit ay stratégie yi nga xamné ne ba buñ ko djébalé nguur gi dinañ gis ne vraiment li formation bu am maanaa ay intellectuel de haut niveau ñoo ci nekk di ci partager di ci waxtaan pour ëlëk ci bir vraiment ñu mun a suñu rêve lool mo taxone tay ji ñun ñu dajalo ñew invité généraux yëpp tay le PCA du Chet Mouhamadou Mansour général de corps aérien Mouhamadou Mansour Sek, président président la séance euh, avec euh, le euh, général de brigade Amadou Anta Gueye le directeur général du CHEDS avec les généraux vraiment nous tamit nous les di parce que général de brigade Mamadou Jojo chef d'état-major armée de l'air nous na fait, mu ngi le général de brigade aussi Fulgence Ndour chef d'état-major de l'armée de terre nous ngi fi

Euh, nous, nous suñu nous gis nous partageons. Euh, au conseil euh, à la défense et à la sécurité nous ñu créer bon ñu nous xalaat nous, nous nous nous, Nous kanam nous nous, nous nous, parce que nous Nous nous nous nous, nous, ci nous nous nous, Nous Nous nous nous autour d'un bon plat un bon njóobeen wax ce que tax nous Nous ñu ngi kontaan di gërëm ñëpp di sant ñëpp macha allah.